Il est l'heure. On tourne la page pour 2024. Bonne année à toutes et à tous. Allah fitna rodna watay. Kukayesi. Barkaji modon e wonja e golitane. Jama'a barkamu da sabuwar e shekara. Toute l'équipe vous souhaite une très belle année 2024. Bonjour à vous, chers auditrices et auditeurs. C'est un plaisir, une fois de plus, ce matin, de vous accompagner dans l'émission Le Niger sur Kalangou de ce mercredi 3 janvier 2024. Une émission co-animée par Habiba Ahmed et moi-même, Rabia Mekano. La technique aujourd'hui est assurée par Seni Isaka et à l'édition, nous avons la grande Adama Dawaki. Bonjour Habiba, en forme ce matin Ça va bien, Rabi, Dieu merci. Et toi Ça va, Alhamdulillah, tout roule. Alors, qu'avons-nous au menu ce matin eh bien nous aurons le flash d'information, la rubrique hebdomadaire consacrée à l'environnement, suivie de l'écho des régions qui nous conduira à Zander où nous irons voir le centre d'apprentissage des personnes vivant avec un handicap. L'entretien sera axé sur la situation environnementale du département des Gothé, région de Tilabéry. Ça sera avec le directeur départemental de l'environnement. Chers auditeurs, c'est avec le flash d'information que nous ouvrons cette émission. Il sera présenté par Samira Roafi. Bonjour Samira. Bonjour la fille, vous allez bien Bonjour Samira. Alors, <laughs> alors Samira, quelles sont les nouvelles ce matin on débute ce flash en diplomatie. L'ambassade de France au Niger est fermée depuis hier mardi et, euh, et ce jusqu'à nouvel ordre. Néanmoins, le ministre français de l'Europe et des Affaires étrangères a annoncé dans une note que l'ambassade poursuivra ses activités depuis Paris. Elle maintiendra notamment un lien avec les ressortissants français présents sur place et avec les ONG intervenant dans le secteur humanitaire que nous continuerons de financer, dit-il. La même source indique que les activités consulaires seront prises en charge par les consulats français dans la région. Libération ce lundi de deux enseignants enlevés par des hommes armés non identifiés dans le département de Gotei, région de Tilaberi, dans la zone des trois frontières. Ils ont été kidnappés le 19 euh, décembre 2023 dans le village de Touré. Aucune information sur les conditions de libération n'a été communiquée selon une source locale. Pour rappel, il s'agit du directeur de l'école quartier et un enseignant du collège d'enseignement secondaire de Touré. Feni Foot Academy, l'académie d'élite de la Fédération nigérienne de football a ouvert ses portes aux premiers pensionnaires. La rentrée s'est déroulée hier au centre technique de la Feni Foot qui loge l'établissement Agname. Cette institution de formation professionnelle regroupe à la fois une soixantaine de jeunes talents dont l'âge est compris entre 13 et 15 ans. Ces U13 et U15 sont venus des huit régions du pays. C'est tout pour le Flash Info de ce 3 janvier 2024. Merci pour toutes les efforts. À bientôt, Merci, Samira. À bientôt, chers auditeurs. Dans quelques instants, nous suivrons un entretien sur la situation environnementale du département de Gotei. Une interview du directeur départemental du service de l'environnement qu'il a accordé à notre envoyé spécial Omar Hama, un reportage dans la région. En attendant, nous ouvrons notre playlist avec les titres Selfie de Ali Atibili. ya da hanci ban ga kamar da ba ta ya tamo a bayanta ma ga nan zube shekaru da dama cikin garin tuburtukun ma zarkin yana ta mulki amma da ciwo cikin jiki ne an yi bincike an yi bincike an yi bincike an yi bincike La chanson Selfija de Ali Atibili s'adresse aux enfants. C'est quand même conte. Il raconte l'histoire du chef d'un village imaginaire dénommé Tubrutukum qui a une fille appelée Selfija. Face à la maladie de son père, Selfija demande à ses quatre prétendants un remède pour guérir son père, et celui qui y parviendra sera son mari. En fin de compte, les quatre ont contribué à guérir le père de la jeune. Maintenant, la question qui se pose, qui mérite le mieux la main de Selfija C'est une très belle histoire. Le clip a été tourné tel dans un village autour du fils. Cela rappelle comment auparavant les parents transmettaient le message aux enfants. Wa jarumi ne wajen neman aman salfija na farko ya ce to tsaya ji ni zan yi bincike in nemo ciwon nasu sarki amma ban magani na biyu ya ce to tsaya ji in an yi bincike samu ciwon ni za ni sami iccen amma ban iya haɗa shi ba amma ban iya haɗa shi ba na uku in ya ce mata in an ka sami iccen ni zan haɗa shi ni da amma da mishkila ban san yaya ake a sha ba ban san yaya ake a sha ba na hudu ya ce salfisha mai loba in an yi bincike in an ka samu ciwon kuma in an ka sami itan in an haɗa shi kaf na san yaya ake a sha na san yaya ake a sha kowa ya yi aiki sarki ya samu sauki da ta hutu ni tambayan ni kay eh, iwanin Jadé Ali Atibili. Ravi, passons à l'entretien du jour. Oui, Habiba, le département de Gotei est situé au nord-est de Niamey, à environ 80 km dans la région de Tilaberi, frontalière avec le Burkina Faso. Il régorge d'énormes potentialités avec ses cours d'eau comme le fleuve Niger et deux de ses grands affluents, le Dargol et la Sirba. Une recherche pour son écosystème qui est aujourd'hui loin de ses beaux jours à cause de plusieurs facteurs. Plus de détails avec le commandant Ali Kailou, directeur départemental de l'environnement et de la lutte contre la désertification. et le au micro d'Omar Hama. De manière générale, au niveau de l'environnement, on peut dire qu'il y a une tendance générale à la baisse de tout ce qui est ressources naturelles. On n'entend pas ressources naturelles tout ce qui est végétation, et tout ce qui est les ressources édaphiques, c'est-à-dire les sols qui sont en dégradation, et tout ce qui est notre cadre de vie et qui est vraiment pollué, des pollutions diverses, que ce soit pollution de l'air, que ce soit euh, par euh, les déchets plastiques ou les déchets solides ménagers. Merci beaucoup. Peut-on parler de la coupe abusive des arbres ici comme ça se passe ailleurs dans le pays C'est vraiment une préoccupation au niveau du département de Gauthier et on n'a pas besoin en tout cas d'être euh, spécialiste. Vous voyez que même tout au long du goudron, c'est un phénomène qui apparaît et comme je disais, c'est une préoccupation générale. Cette situation, elle est très récente. Pourquoi Parce que de moins en moins, les agents chargés de la sensibilisation et de la police forestière sont de moins en moins présents sur le terrain. Compte tenu de la situation d'insécurité, vous conviendrez avec moi qu'il y a des zones, eh, entre guillemets, qu'on appelle des zones rouges, où pratiquement au niveau des postes forestiers, les agents qui sont basés sont maintenant dans les villes. Et même autour des villes, le phénomène apparaît parce que les délinquants, entre guillemets, ceux qui exploitent de manière abusive ces, essences forestières-là, estiment que avec l'insécurité, les gens ne peuvent pas sortir, surtout de nuit, même si c'est derrière, juste à, proximité, dans les environs euh, immédiats des villes. Et vous voyez tout ce qui se passe à côté des villes et sur les, les, grandes voies, sur les goudrons, c'est nuitamment que les gens abattent et parfois, sans raison apparente, imaginez, tu abats un arbre, le fourrage aérien en saison de pluie, ou quand même le pâturage terrestre est abondant, il y a pas mal d'herbes, tout est vert. On se permet donc d'abattre, de couper des, balanites pour nourrir des animaux. On arrive à peine à comprendre. Donc c'est pour se dire que c'est comme si les gens se disent ah c'est une revanche. Donc comme ils sont plus là, je fais ce qu'on m'a interdit de faire en temps normal. Et comment vous gérez la situation avec la population et bon, avec la population, vous savez déjà ce qu'il faut comprendre que la politique forestière, de manière générale, la politique environnementale est basée au Niger sur tout ce qui est participation, collaboration de tout le monde. Donc, cette gestion participative des ressources fait que même les textes de loi qui régissent tout ce qui est environnement prennent cette approche-là. Et Dieu merci, on peut dire que le Niger, quand même, on est en avance dans ce domaine-là. Donc on ne peut que appliquer et suivre l'esprit des textes. Donc associer les communautés au niveau de tout ce qui est gestion de ces ressources-là. Et sur ça, c'est ce qu'on est en train de mettre l'accent pour que quand même, on arrive à dominer ce qu'on vient de relater tout de suite là, la coupe abusive. Vraiment, on essaie de, responsabiliser les communautés à la base pour leur dire que, au moins, chacun est responsable des arbres dans son champ. Et récemment, je me souviens, en tout cas avec un partenaire, on a édifié les gens sur euh, euh, euh, vraiment la pratique de la RNA qui est maintenant réglementée et qui donne plus de force aux propriétaires de champs qui, même quelqu'un qui détient même l'agent forestier ne peut pas délivrer une autorisation de coupe dans un champ si le propriétaire du champ n'est pas d'accord. Donc vous voyez que en tout cas un grand pas est franchi dans le cadre de la responsabilisation des communautés et on pense que la vulgarisation de ces textes-là vont véritablement améliorer en tout cas la protection des ressources naturelles et vraiment réduire en tout cas cette coupe abusive dont on vient de parler. Mon commandant, quelles sont les sanctions prévues en cas de coupe abusive de bois En cas de coupe abusive de bois, comme je le disais, la loi n'est pas restée muette. Il y a des sanctions à travers beaucoup de textes, que ce soit euh, la loi euh, cadre relative à la gestion de l'environnement 92-56, euh, que ce soit la loi de 2004 portant régime forestier, qui prévoit à son article 42 une amende de 50 à 500 000 francs et d'un emprisonnement de 3 mois à 2 ans ou l'une de ces peines-là pour celui qui, en tout cas intentionnellement, détruit au niveau que ce soit des périmètres reboisés, que ça soit aussi des arbres à des fins eh, commerciales et qui entraîne vraiment eh, des destructions au niveau de ces arbres-là. Un autre tour musical avant de poursuivre notre entretien du jour. Et là, c'est avec le titre Ameira de Mala Maman Barka. Maria Meral, Tangal était un instituteur de formation, mais il était plus connu dans le monde de la musique. Il a conquis très vite le cœur des Nigériens avec sa musique grâce au gurumi qui est un instrument traditionnel à cordes qu'il jouait. On retrouve cet instrument au Niger et au Nigeria voisin. Fait Mambarka Barka puiser chez Samson dans les thèmes de société tels que l'amour, comme ce titre Mariam que vous êtes en train de kiffer. C'est l'une de ses phares. L'artiste chante ici son amour inconditionnel à Meram. Il voulait l'inviter dans son village natal, Tesker, pour contempler le coucher du soleil avec elle. amana kibe masoyi kamar diya da hali Allah ya bar mutane ami amira shiri amira chanson très romantique, cette chanson, Adiba. Eh oui. C'était le titre Ameram de Feu Maman Poursuivons avec notre entretien du jour sur le département de Gotei, dont l'environnement aujourd'hui est touché par les mauvaises actions de l'homme et les effets du changement climatique. Constatez-vous euh, la disparition de certaines espèces d'arbres et quelles sont les conséquences Vous savez, la disparition, quand on regarde ce qui se passe, vous voyez avant, dès que vous sortez aux, abords des villes, c'est presque des forêts denses. Maintenant, à perte de, vue, on voit tout ce qui se passe. Et on a fait une formation euh, récemment avec, euh, avec un partenaire et on a projeté une photo aux gens d'avant et de maintenant. Les gens ont ressorti beaucoup de choses que Ils disent que, ah voilà, ils voient même les champs, la densité des milles, les arbres là, il y a tout autour des villages. En bas, aujourd'hui, il n'y en a pas des mares qui étaient là, qui n'étaient plus là, et vraiment beaucoup de choses. Même le bois, ils disent, ah, avant tu ramasses juste derrière ton village. Maintenant, il faut utiliser des charrettes, des véhicules pour transporter le bois. Et pour revenir aux espèces qui ont disparu, il y en a beaucoup. Et le jour-là, on a profité pour demander aux gens et aux enfants, surtout que c'était des, scolaires, des écoliers, on leur demandait est-ce qu'ils connaissent Sari. Donc, c'est des choses qu'ils ne connaissent pas. On demande des espèces que les gens mangent, quoi. Et genre, euh, Vitex donania, Boyi, on, oh, oh, les demande, les gens ils disent Ah, oh, Haborang, dit. Mais ils vont voir ça dans le marché, mais ils connaissent même pas c'est quel type d'arbre qui produit euh, ces genres de, de, de, trucs, quoi. Donc, si à la longue, on ne prend pas garde, nos enfants, peut-être que même, même le garbeille, même des, des jarbes à la ils vont pas les voir. Peut-être que les gens vont prendre des fruits d'ailleurs pour les ramener. Ils vont dire, ah, mais c'est quel genre d'arbre qui fait ces trucs-là? Peut-être que nos éleveurs, les gars vont même disparaître, ils vont même plus les, les, les trucs, ils vont voir les gousses qui viennent d'ailleurs. Ah ça là, ça vient d'où Donc vraiment, quelque chose doit être fait. Et avec nos différents partenaires, on a en tout cas initié la création de pépinières pour les espèces là en voie de disparition. Et déjà, en tout cas, le dossier est bien ficelé et on est en train de demander aux gens les espèces qu'ils aimeraient en tout cas revoir et on va les mettre en pépinière pour que les gens puissent en tout cas euh, commencer à les réintroduire au niveau que ce soit de leur champ et même parfois au niveau des concessions. Peut-on parler des effets du changement climatique ici dans votre genre Le changement climatique est un phénomène mondial. Et pour vous dire que c'est un phénomène mondial, que ce soit les pays pauvres, les pays riches et les pays moins riches, tout le monde subit les effets du changement climatique, qu'on soit en milieu rural ou en milieu urbain. C'est pour vous dire que tous les domaines de la vie sont impactés. Dans les domaines productifs, c'est-à-dire que ce soit l'agriculture, l'élevage et autres, on sait que les productions sont en baisse parce que la pluviométrie étant en tout cas un des facteurs les plus impactés par ce changement climatique qui se caractérise par une forte disparité dans le temps et dans l'espace. Et inévitablement, les productions vont en pâtir. Et quand on prend au niveau de l'élevage, c'est la même chose, c'est des épices aussi, quand on prend au niveau même du climat de manière générale qui est déréglé, avec des vents violents, des inondations, des sécheresses, et paradoxalement, les gens ils vont se dire ah mais inondations et sécheresses... et malheureusement le changement climatique c'est ça. C'est des phénomènes extrêmes. C'est-à-dire il peut avoir subitement une grande quantité de pluie tombée en un temps record, ce qui fait que quand vous allez comparer des années, une année peut faire, en tout cas ici, on peut dire qu'on est dans les 500 à 600 mm. Donc, une année peut faire 700 mm et avoir une mauvaise production de pluie. Par exemple, cette année, il a beaucoup plu cette année que l'année passée. Et la production de cette année est mauvaise, plus mauvaise que celle de l'année passée. L'année passée où il n'y avait pas eu beaucoup de pluie. Pourquoi Parce que les pluies étaient un peu bien reparties dans le temps. Et cette année, il y a eu une grande poche de sécheresse et le mille avant que le pluie ne revienne se déchirer Donc, c'est des manifestations comme ça des changements climatiques. Riche entretien réalisé par Omar Hama et merci au commandant Ali Kailou, directeur départemental de l'environnement et de la lutte contre la désertification, pour toutes ces informations. Voulez-vous connaître les artistes nigériens Voulez-vous avoir des notions sur la technologie de l'information du cinéma nigérien Est-ce que la vie dans nos régions vous intéresse, ainsi que le sport, les questions de justice et de santé L'environnement et le changement climatique Le portrait des hommes, femmes et jeunes nigériens Alors câblez-vous sur votre émission du Niger sur Kalangou. Le Niger sur Kalangou est une émission qui rythme la mi-journée du lundi au vendredi sur le réseau des radios partenaires de Studio Kalangou. Le divertissement et l'information sont au cœur de cette production. Chers auditeurs, restons toujours dans les sujets environnement alors, cette fois-ci, direction Berni-Koni de la région d'Ottawa, cap sur l'aménagement hydro-agricole de Koni où des agriculteurs sont en difficulté pour irriguer leurs cultures. On se demande alors une telle chose peut-elle arriver Et bien la réponse dans ce reportage de Asuman Moussa Arzka. C'est notre rubrique hebdomadaire environnement. A cikin gandari na birnin Kwanni manoma a cikin gandarin na fuskantar karamcin ruwa na noman rani don haka manoman ke gudanar da ban ruwa ɗaya bayan ɗaya saboda karamcin ruwan da ya kawo ba su iya gudanar da bai gaba ɗaya. wannan matsalar ta yi matukar ta damu su hankali akan shukar da suka yi ta noma a cikin gandaren. Sai a sako manoji ruwa, manoji su kuma Allah sai shi kaddarci ba sakan musu ba. Yanzu haka wanga dan uwa na uwa ina jiran shiban ni kuma in yi tawika. To kenan an ce ruwa in wanga ya yi shi ba wanga kuma ba su ini kenan kaga dole za mu samu matsala manoma sosai manoma suna cikin matsalar rashin ruwa kware kware abu na wanda an dai ta hankuli an ta hankuli shi kuma abu ne wanda bai a tunda babu kai baka kare ba dan uwanka bai kare ba kenan ba mu saba ganin wagga matsala ba mun yi shibka wasu sun samu sara wasu sun sa yaji wasu sun sa shi ga nan dai wasu sun sa albasa amma in ka diba ruwan ba su wadatar abin da muka dai tunani wanga aikin rani da ake ciki wanga lokaci don Allah masu kula da harkar ruwan nan eh akwai mahita su yi manoma mahita to yanzu domin in ba a samu mahita ba to za a samu asara mai yawa domin mi aiki har yanzu akwai zango tunda ko yanzu a aikace muna son a samu bai abin da kai goma sha ɗaya to to yanzu ba a kai haka ba ana tangal tangal to ina abin da ka zuwa gaba don haka masu kula da aikin gandarin nan to don Allah ya akwai hanyar da za su bi su bi hanyar da za a samu ruwan nasu ishe mutane a babu ruwa tun da in akwai ruwa ai su da ana zuwa bai ba a kariya akwai wanda kai ma ya yi turbuɗa ma ko shifka ma bai samu ba to don haka muna fatan wanga al'amari a ɗau mataki tun da nesa. Dr. Saidu Abdulkarim na ma'aikatar da ke kula da raya gandari mai suna mca millennium challenge account ya yi bayani akan abin da ya kawo wannan matsalar le premier problème qui a été identifié et cela depuis euh, en tout cas 2020 parce l'association a été mise en place le 14 mars 2020. C'était le problème du prélèvement illégal de l'eau d'irrigation de l'aménagement hydro-agricole de Kony. Qu'est-ce qui se passe C'est que l'aménagement hydro-agricole de Kony est situé dans la commune de Kony. Mais les infrastructures qui irriguent l'aménagement hydro-agricole de Kony sont situées dans la commune de Sarnawa à peu près à 30 km de l'aménagement. Donc le barrage de Mozague et le barrage de Zongo sont à 30 et 20 km de l'aménagement de Koni. Donc entre les deux barrages et l'aménagement, il y a un canal d'amener de 15 km. Et le long de ce canal-là, les gens ils prélèvent toute l'eau, une grande partie de l'eau qui va à Koni et qui permet de faire l'irrigation et prélever sur la voie en cours de route. Donc euh, malheureusement, quand on a fait les études, parfois l'aménagement de Kony perd jusqu'à 200 hectares à cause des prélèvements de l'eau en amont de l'aménagement. Donc nous avons euh, vu les autorités et nous les avons demandé vraiment d'initier une action pour pouvoir protéger euh, cette eau-là pour permettre à la population de Kony, surtout qu'après la réhabilitation de l'aménagement, à coût de plusieurs milliards, si on ne peut pas avoir l'eau pour travailler, ça ne sert à rien du tout. Donc c'est comme ça, que les autorités nous ont écoutés et ils ont élaboré un arrêté préfectoral. Et cet arrêté-là a mis en place un comité de surveillance de l'eau qui est appuyé par une brigade. Donc euh, vraiment, euh, maintenant, nous sommes confiants et nous pensons que ce problème-là va être finalement jugulé. Soufflons encore avec la musique traditionnelle, une compilation de Bajo Ruki et Mahmoud Walam, des artistes de la région de Telabéry. Telephone, my boy, tell my Mamoudou Alam consacrait leur musique à la tradition de la région de Tilaberi. Les instruments emblématiques tels que la calebasse et le kalangu que vous entendez bien sont utilisés pour transporter l'auditeur dans un voyage sonore riche en héritage culturel. que vous avez bien dansé. Voilà, quittons berry pour Zender pour le reportage région. Situé au quartier Caracara de Gender, le centre de formation et d'apprentissage professionnel pour personnes en situation de handicap est l'œuvre d'une coopérante hollandaise. Cette structure accueille des enfants et personnes vivant avec un handicap et les jeunes déscolarisés de la ville. Cependant, l'écoulement des produits fabriqués par les apprenants est un problème, ce qui explique Binia Garba, le président de l'association des personnes en situation de handicap et responsable du centre. Il est interrogé par Ali ita wani santir an girka ta a alif ɗari tara da tamanin da shida kuma dalilin yadda aka girka ta akwai wata baturiya wata olande lokacin bamu da siyaj akwai wani abokin wanda suke aiki a likita lokacin nan ta tambaye shi ta ce mishi wani nan garin guragu suna da kungiya to lokacin nan a mgc muke ranyen ma wani biyun mun tashi haka sai aka ce mata suna da kungiya ta ce suna da siyaj su sai aka zo aka kiraye mu a lokacin nan muka je wurinta muka ce a mu da ta ce inda kuna da wuri naku na musamman sai mu za ta nema mana tallahi a girka mana ma'aikata ko siyaj muna na muka ce to sai muka shiga muka wuta dai muka samu muka zo meri muka ce musu to gashi gashi dai muna za a mu wani tallafi amma kuma an kwatanta mu sai muna da wuri namu na musamman to ka ji da aka kira ka kullu lokacin nan daji ne wannan santra aka zo aka ba mu wannan gurin ta ɗauki anjinar da wani waye aka gina mu halu cikin wata wata biyu zuwa uku aka gina mu ri aka mu dan ɗaki ɗaya tukun. Ina lokacin nan mun gane ita wannan baturiya ta kasa da eh, ita ce kenan ta tallafa muku a kuka samu wannan santa. Eh, ita ce da gaskiya ba zikin tallafa lokacin a tele biyar caka mm, da ta ɗinki da ta aikin wata tunda lokacin aikin wata ne yawanci duka na kasassu suka yi kuma shine aiki na hannu wanda yake samu shiga da gauga lokacin tunu ba yau bane aka samo yara kaɗan kaɗan haka kaɗan kaɗan lokacin nan duka yaran duka ba su yi ba kamar guda bakwai ake dan yangula kamar maza bakwai mata kamar shidda haka duka sun suka fara kamar kasassu ne ko kuma a eh, da fara duka nakasassu ne mu kamar manyan muka samu duka kowa ya samu horo muka samu horo kama kowa dai ya samu horo kuma a kaɗan kaɗan da ita kalmar nijar ta bari kuma mu muka kai muke ba da horo gidan da masu kawa da nakasassu. a yanzu eh, wani irin ayyuka ne ake koyawa a nan santir na karakara yanzu muna da atelier bakwai wanda dai kawai suna aiki dindindin na ɗaya akwai sudir akwai aikin katako akwai tela akwai reparation moto akwai fendori kamar yin wannan tano a kwashe tano a yi sanduki haka eh, akwai aikin hata na gama akwai yin giriyaj kamar su wannan wanda suke eh, a tilikin eh, ɗaliban da suke koyan ayyuka na su ne dukansu ko kuma a akwai wanda ba na su ba akwai ɗiyan muna na su duka ko dan gurgu ko dan kuturu ko dan makaho ko dan kurum ana iya a kawo shi kamar in muka ne kamar muka nemi proje wadda za ta kama ko kuma wata ONG wadda za ta kama a ba su horo duka ana suna zawa duka a ba su ko wata tele ko ɗaya biyu ko haka duka ana muna yin haka amma a yanzu haka yara dai wanda kan na kasan su kan diyan na kasan su wanda muka ba horo na ya kai mutum 172 wanda yanzu suna da atuliya haka bisa kan wannan sun girku sun kai mutum 52 wanda suke matsayinsu na kansu eh, yanzu suwa ne suke tallafa ma ita wannan santa ta karakara to yanzu muna da partenar da yawa amma babban partenar kinmu babu kamar cecr wata kungiya ce wanda take ma nakasassu ƙawahuwa eh, tallafin niger a ita wannan santa kwarai kwa niger tana tallafa to president biniya garba kahimu ida da kai mini za ka faɗi na ƙarshe to ni dai kira na kullum abin da nake kira mutane fasgo wannan zawa da a zo a sai kayanmu shi ne ke kare mana mutuncin wani ko mu je mu yi bara ko wani eh, muna wani roko-roko fasgo mu tunda an ka zo ka sai kamu kama ka taimaka mana abin da muke kira an ka zo ka sai kama ka taimaka mana to shine muke fatan dai mutane da yan uwanmu da abokan aikinmu da gwamnati duka su kama mana bisa kan wannan kyau C'était un reportage de Ali Keta, marquant une pause avant d'attaquer la page sport. Le studio Kalangu est un projet de la Fondation Hirondelle financé par la coopération suisse, le Fonds international pour les médias d'intérêt public, la Grande-Bretagne, la coopération allemande et l'Union européenne. Nous sommes à présent avec Hasmi Grouza qui nous vient avec la page sport. Bonjour, bonjour Bonjour Abiba, bonjour Abi. Alors Grouza, nous ouvrons cette page sportive avec du football, notamment le lancement hier après-midi du centre de formation de football de la FENIFOOT. Oui, il s'agit d'un centre d'élite de football basé au centre technique de la FENIFOOT. Ils sont environ 60 jeunes de moins de 12 ans, moins de 13 ans, moins de 15 ans Objectif euh, du Niger, se doter des joueurs aguerris dans les années à venir. Les détails avec Mohamed Siliman Ganois, membre de la Fédération nigérienne de football au micro d'Aswana Baka. Oui, vous faites bien de le dire, énième centre. Mais vous savez la différence avec les autres centres, c'est que là, c'est à la suite d'un long processus de réflexion. C'est une idée en fait qui germait euh, au niveau de la fédération depuis plusieurs années. Mais vous savez, c'est bien d'avoir des idées, mais il faut avoir également aussi les moyens de la mettre en pratique parce que quand on veut faire un centre sérieux, qui regroupe tous les paramètres, il faut vraiment voir grand. Malheureusement, dans le passé, il y a eu des tentatives de création de centres de certains privés, mais qui n'ont pas prospéré. Aujourd'hui, c'est un grand jour pour la FENIFOOT. Avec le lancement de la FENIFOOT Academy, nous pensons que c'est un investissement important, un pari pour le futur, un investissement pour l'avenir. Comme j'aime le dire, c'est pour offrir un avenir à notre football. Parce que c'est vrai que nous avons une génération actuellement qui essaie de faire ce qu'elle peut. Nous avons quelques résultats avec les U23, avec les U17 il y a quelques années qui étaient jusqu'à la Coupe du Monde. Mais il faut pérenniser les acquis il faut également s'offrir de nouvelles perspectives. Je crois que la FINFOOT Academy va nous ouvrir de nouvelles perspectives parce que ces enfants qui seront suivis 24 heures sur 24, qui seront logés, nourris, qui seront suivis médicalement, sportivement, bénéficieront de toute l'attention nécessaire pour progresser. Je n'oublie pas également toutes les infrastructures. Vous avez là une belle pelouse synthétique de dernière génération sur laquelle ils pourront travailler. Il y a également un foyer il y a une piscine, etc. Et vraiment, nous pensons que toutes les conditions se réunissent pour qu'ils réussissent leur future carrière de footballeur. Je dois ajouter une chose. Ce sont des jeunes que nous préparons, que nous formons en football, puisque c'est un sport-étude. Mais je dois rappeler que en dehors du football, il y a également l'aspect scolaire, l'aspect académique qu'il ne faut pas négliger et qui est très très important. Parce que parallèlement à leur formation sportive, ils suivent également des cours d'enseignement général, des cours d'enseignement professionnel, même des, des scolarisés sont prévus s'ils sont plus à l'école, s'ils sont plus dans le cadre de l'école, ils pourront apprendre des métiers ou euh, dans la vie professionnelle, ils pourront se battre, comme on dit, pour être utiles à leur famille, à eux-mêmes, à leur famille, à leur communauté et à l'ensemble du pays. Donc franchement, je pense que c'est un grand jour. J'espère qu'il y aura l'accompagnement nécessaire pour que cette Finifoot Academy euh, réponde véritablement à ses objectifs et qu'elle nous aide à remplir exactement nos objectifs, c'est-à-dire euh, offrir un avenir à notre football et surtout engranger des résultats meilleurs. Restons dans le domaine du foot. L'AS Garde nationale dame a remporté le championnat national féminin. Oui, Rabi, la finale s'est jouée entre l'AS Garde nationale de Niamey et Alkali Nassara de Zender. La rencontre a eu lieu dimanche sur les installations du centre technique de la Fédération nigérienne de football Fini Foot. Score final 11 buts à 0 en faveur des Bérets Rouges. C'est la deuxième fois que l'équipe remporte ce titre après celui de 2022. Notons que c'est la première fois également qu'une équipe euh, des régions participe au championnat féminin de football a toujours en football, mais cette fois-ci, il s'agit de la saison 2023-2024. Oui, l'AS Nigelec, sixième du championnat, s'est imposé devant l'AS Garde nationale, champion en titre et quatrième de la compétition en cours sur le score de 2 buts à 1 et pour le compte de la septième journée. Autre discipline à présent, direction de la capitale de Damagaram pour parler de basketball. Oui, à eh, Abiba, le tournoi s'est organisé, eh, est organisé pardon, par une équipe d'anciens basketteurs à Zender. Eh, trois régions dont Maradi, Zender et Agadez y ont pris part. La coupe dénommée Lamine Zen, nom du premier ministre actuel, a été remportée par la région Haute euh, devant Maradi sur le score de 28 paniers à 25. Voilà pour le sport d'aujourd'hui, Rabi Abiba. Merci, Merci, On se dit à bientôt pour le page sport. Alors, place au portrait du jour. À présent, Hamza Ibrahim, âgé de 30 ans, est un vendeur de miel sur le marché de Birningauri, dans la région de Dosso. Une activité qu'il pratique depuis 4 ans maintenant. Comment le jeune s'est retrouvé à la commercialisation de ce produit de la ruche Hamza Ibrahim répond à notre envoyé spécial Oumu Umaru. Ina zama doso banda wata sana'awar ta wuce sai da zuma. Yau Allah ya kawo ni kasuwa birnin Bayero. Yanzu ne kana nan kansa da sun kasuwa birnin Bayero? Zuma ce nake sisuwa. Ina ne kuke samu zuman ga? Daga gunki ƙauyen Malgoro. To yanzu tun wani shekara ka fara sai da zuma? To lalle ina da shekara hudu da sayar da zuma. Amma tun wani tashi tsoho na ita as sana'ar kenan wannan sir zuma ka gade shi ne eh na gade shi ya kuke ku same shi to zuma yana da abun nan butun ne ake yi sama na itatuwa hakan ga su ne idan lokaci ya yi suna da wata uku hudu ana iya duba in sun yi sai a ji a dobo a zaka a sayar da shi kai ekol da na tashi na yi makaranta tabbas na yi makaranta don na kare sakandiri ba komi na ba saboda rashin gata shi ya kawo wannan al'amari idan ya kasance cewa kayi karatu ka bai da kuɗin da zaka ci gaba ai kaga babu gata kenan amma idan kana da kuɗi zaka ci gaba tunda mahi aksiri in kun kula akwai waɗanda talakawa ne amma ƴansu suna da ilimi sosai amma sai kasance cewa kan rashin gatan su sun koma sana'a wani ya koma sana'a wani kuma sace sace wani dai ga sunan da sauransu to wannan sana'a ita eh, ne ganin cewa ta yi mahi alkhairi gare ni kana samu albarkacin shi ina samu albarkacin tunda ciki muke ci mu ci mu sha wani zaka kuma mu taimaka mishi rishi. shi kenan kasuwar kake zuwa birni to lalle duk kasuwa ina shigowa kana samu riba ina samu sosai gaskiya ina samu balahi mahi akasari idan na ɗibi ƙwarai ana iya samun jika biyu jika uku duka ina samu wani irin matsala a gare ka hamza gaskiya ban da matsala komi matsala ta in ta wuri in samu abin na ci ni kai mu gidana ko ba gaskiya ba shi dan matsala ta ban da matsala komi amma matsala ta guda na yi makaranta sosai dai abu na ya zama tuce an baka rigata ba kowa bane kai amma na yi makaranta na karshen secondary abin da ne shekara 22 ina karatu amma rashin gata shi sa na tsayar da karatu na gaba ɗaya amma na kare ta karatu secondary suka duka suna nan kwalin su lafiya lau Merci pour ce portrait, Oumu Oumaru. Continuons de danser sur cette émission avec les titres Al-Kawali de Hadiza Mankou. 单啊 Hadiza Amangou, vous l'avez bien compris, vous êtes sur l'émission de la bonne musique Le Niger sur Kalangou, co-animée par Habiba Ahmed et moi-même Rabia Meikano. Passons au loti à présent qui parle aujourd'hui de l'importance de laver les mains avant d'allaiter son enfant et c'est le thème central de la chronique loti d'aujourd'hui. Les lavages de mains est important avant le tété. Écoutons Samira Rouafi et Rekia Arimi sur le sujet. Loti. Loti. Loti. Loti. Loti. baka info kai kai ni foigo ka assalamu alaikum assalamu alaikum yani ibno goga he ya ci ne ba ni no wallahi ya ni samai harai dai na goma to an wayan dimi ifano ni goga batu ni bai kan asibori ibnan zanka goga he ya ci ne aga genta ne ya kiniga wallahi ga bai coro. to a suran dimi. wadin dai ne ga bai muti ai ma zuman da dai bando ga gagayi ingino tikati yan wo kan ga goma zai ina tonka da mai zai ga hmm. zarmai no gane gunda kan ga haraigo asima asidi hmm. kai gidi ai mana nan di da man tiyadin kula si danga irin dogo fa ka gai kai nufu ta yi izo ban ta ta ga han he he he ifano ni gbagte kai gina ifano ga gbagte ya kinwo kai gbe mana nan di na nan di din kan ba zibai wo nin kan na kwara wo kuluwin di ha kai ne ni ba ni min izo na nan din kan ba zibai halai ga fatta window ga subo kalkai ne aima ni bay bere konaygane bor borming kan yum hal ni ko ji ifo kan kamba mu zama dori fo yamma sidu gadi se mm. so bun boni gane sai ti haifo ha'a mun tono dingina bere konai gaborai ya kan bore mu haggoi da hananiya zama a gabori no ko kiya ga hanba no se irin san musliman kaina safuno dai kan gwanda hau a mahima bari mu gwaida zama a ga kura hau bar mai chogo zai ne cin fa dai fo koi ne koi ne mu igba mu bar mu gwaida fa gara kan su suciyan ni fa fai masidu ga sai yajin mu no ni ni nyumu sor za hani zora aha hayo kan ce sai mu yadi no ni mun tonton haikulu kulu hmm, wani ga cebe kan niwo nisi ba kwai nisi yan wodo wala shawara yan ki guno wai borai kan ga nanan disi ni bai kan loktor kwar borai igi borai lakala candi kan ma hagwai da hananiya zama zankawo a ga targa dori dino delu wallahi sabin sai kani ne fangan da wani yankulu ne bai ibu wazan kano kan ga hego mu masha Allah da sin tinga kati mu gano ne gidinya ai sabu gumgumu irgu fa ka son wakai zama doga dangai ni woni him goybar mai boda no <laughs> ha manti goybar mai yan sani no ani ga ikyor loktor adin bai a ado dai nay du haye yo kulu koy ne mo manti ya mono inda kai wat kulir go charbande aga don nan da hay bobu ya hey dindu lokaci maka irin fakare ai hay bobu kini se ba mura muraye insha Allah ikyor hani zo wa ai du dama kun duga haya wo sola mai gwangi tantani to ir kwai mirke ba Merci les filles et félicitations au bébé qui a enfin sa tétée. <laughs> voilà, nous passons à notre rubrique culture linguistique et ça sera ce matin avec Moussa Hassan qui va nous en dire plus sur le mot honneur. Bonjour Moussa. Euh, bonjour Rabi, bonjour Abiba. Effectivement, nous allons parler aujourd'hui d'honneur. L'honneur est un ensemble de principes moraux qui incitent à ne jamais accomplir une action qui fasse perdre l'estime qu'on a de soi ou celle qu'autrui nous porte. C'est en fait un sentiment d'estime et de considération porté à un individu ayant une conduite digne, c'est-à-dire correcte ou louable, méritante, conforme à un certain nombre de normes d'un groupe ou d'une société. Mhm. C'est-à-dire tout simplement la fierté. Et depuis du, les événements du 26 juillet 2023, le mot revient dans le langage euh, du citoyen nigérien, surtout avec euh, notre hymne national, de nouveau. Ouais l'honneur de la patrie. Ouais, l'honneur de la patrie. Donc oui. en Zarma, on peut dire que Rigné, Wakasan Sarsanga Rigné, honneur à Mantikala, alhalino dada, kan Boragin Borno, kan Zarma Gine, aïe Burchintara, aïe Inadamizitara, Mizitara, kan Boragin Borno, kinga bunganyi mu tera kul kanga ta ilalo kanga hinga hawandi burfo moji ne walungu bumbo mu dikan te hawino gana hagu wodi se no igine honor ya dinga asigan mo kala di kan gwara wane al'ummara zama ifo kan ti al al'ummara hawi arwo do mata hawi no wo kan borfon wo ganda kan dara wo do hawi no ya dinga al al'ummara no guguna tere kul kan ti meri goy hawi goy n'o woni mu mora ni mu dandi bina ni mi bon no dadi kan hayadin kul ni more ni mu te ina da mi ce kente burjin ce kente ana al umara. Ok, merci Moussa. <laughs> Merci Moussa, à bientôt. À bientôt dans les journaux du soir. <laughs> ok. Chers auditeurs, si vous avez d'autres mots, expressions dont vous souhaiteriez avoir l'explication en anglais, en Hausa, en Zarma, en Tamashek ou en Fulfulde, n'hésitez pas à faire un vocal ou un message écrit au 82 89 89 64. Écoutons quelques messages d'auditeurs. Vous écoutez le Niger sur Kalangu. Studio Kalangu vous écoute. Des idées, des questions, des suggestions. Tapez 82 89 89 64. Studio Kalangu vous écoute. Message des auditeurs. Mahmoud Agali. Ni eh, président de en même temps SG Adirita. sosai ina sauraron shirye-shirye studio kalangu muke burge kowa a studio kalangu gaskiya bisa abin da ka burge ni cikin tayyar da ya to an yi shi duka da yare na gida a yi da buzanci a yi da fillanci a yi da hausa a yi da faransai wannan abu muna jin daɗin shi fi sibirla kuma da ya to ita a nan nijar da banda ortn ni ban gare gidan rediyo ba wanda yake ana kama shi ko ina cikin nijar radiyo hamsin da biyu kuke connected da su suna watsawa gaskiya wannan abin yana da kyawu kamar muna jin daɗin shi fi kama wannan tunanin da aka yi aka bude wannan studio kalangu gaskiya ba karamin tunani bane aka yi ba fi sabilillahi saboda abin da zai sa ya yada mutane a dinga shin bayani yadda ake ciki wani korafi gare ka wani kuka gare ka in ka gai aka samu yan tana suna saurare ma asiri kenan za su jiya ha abin ya kai kunnuwan su to abin da ya kamata a gyara cikin ta yana studio kalangu su gidajen rediyo 30 minutes ne suke sawa kenan ya kamata a kara ta zamanto inar rita bisa kowace sha ya zamanto dujur ne kowace sha sai an ba da labari nata eh lalle na ga ana yi me amma a kara kamata ya zamanto kowace jiha doki labarin ta biyu zuwa uku shi yasa nace maimakon talenti mai ta zamanto inar ta to yanzu mun zo eh, sabon shekara ne mun shiga yanzu eh, menene fatan ku ga Niger ga Kalangu kuma ga masu kabu kabu to fatan mu gaskiya ga Niger da farko mai hankuri mawadaci ne ya zamanto duka wannan eh, tsare-tsare na a sake a na adalci ne da a samu ci gaba rashin ci gaban shine ke kawo ana shiga wani tare-tare wani menene da menene kenan mu kira da gare mu ga gwamnatin ga ya kama mana ya zamanto a yi adalci duk wanda eh, ya kai mataki a doke shi aiki a doke shi aiki muna kira ga wannan kuma sabo shekara muna fata ta zamanto shekara mai alheri mai cike da abin a zo a gani wanda 'yan kasa za su ji daɗin shi kowa ma da kowa zai ji daɗin shi a da bubakar eh, ga ake ce mai wani abokiya ne mai adirita ina gai da masta ana ce mai andan shi ma mai adidita ne kuma ina gaida lawali shi ma mai adidita ne ina gaida ansiyon guzman shi ma mai adidita ne duk mutane ne wanda yake kullum suna nan fara bakin studio ina suna nan kenan kaga ba lalle bane in mance da su ba wannan mutane Vous écoutez le Niger sur Kalangu. Studio Kalangu vous écoute. Des idées, des questions, des suggestions. Tapez 82 89 89 64. Studio Kalangu vous écoute. Message des auditeurs. Ici prend fin cette édition du Niger sur Kalangou. Vous étiez en compagnie de Rabia Meikano et Habiba Ahmed qui m'a accompagné sur cette émission. Le plaisir était grand de partager ce moment avec vous, chers auditeurs. Les rendez-vous est pris pour demain pour un nouveau numéro. L'édition était assurée par Adam Adawaki et Seine Isaka la technique. Excellente journée à vous et à bientôt. Il est temps, il est l'heure. pour 2024 bonne année à toutes et à tous. ala fetna rodna wattay ko kayesi barkaji moɗon e woncagol hitane jama'a barkamu da sabuwar shekara Toute l'équipe vous souhaite une très belle année 2024.